la nangu ñaan yëpp rek eh, sëriñ bi nangul lu ko ñu ngi fii nag ci fi nga xam ne fi leen war a defee màggal Touba Niis gi eh, wax dëgg yàlla ñu yees suba teel gi ñuy nekk ci mise en place bokk nekk bi ci Niis waa Touba la dal Manazil di ko taxawal fii ci fii ñuy wax les paliers noonu yi nekk nii nag nekk ci mise en place bi nekk di ranger bagages yi yooyu yëpp ودادي وأقلامي لمن زاد اليمان وما زاد الشيطان والجان ndeysaan ange billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi waa daayira Touba Nice di ci jiital euh, jëwriñ ñi mu jëwriñ Moustapha di jël nuyoo jëwriñ yëpp di ko di nuyu tamit soxna yi di ci jiital soxna Seynabou di jël nuyoo soxna yëpp di ko jox di sant yàlla bu baax ndax ñun màggal gi bu ñëwee lépp lu ñu am dañ koy bàyyi ndax ñun amuñu lu du Serigne Touba màggal gi bu nekkoon juróom-ñetti fan wala mu nekk une dañuy bàyyi suñu liggéey tëj suñuy kër ñëw liggéey ngir Serigne Touba ndax moo ñu defal moo ñu defal jàmm àdduna ak àllaaxira fii tey buñ fi ñëwee ba mën a màggal Serigne Touba moo ñu dimbali. kon on est d'accord que ça existe puisque c'est un radis qui, qui, fait l'unanimité et tout ça. Mais la science qui en découle fait interrogation puisque beaucoup disent que c'est des rajouts qu'on a fait dans l'islam. Mais le problème est que euh, avant, elle n'était pas théorisée, elle était pratiquée. Maintenant, elle est théorisée et de moins en moins pratiquée. Parce que du temps des Sahaba, par exemple, ils avaient ces comportements-là. Ils n'avaient pas besoin de, théoriser cela, ils vivaient comme ça. Prenez un exemple, un exemple Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. C'était des gens qui, dans leur société, ne médisaient pas des autres personnes. C'était des gens qui ne mentaient pas. C'était des gens qui ne volaient pas. Et c'était des gens euh, qui, qui aidait les pauvres, qui était utile à leur société. Vous savez, même quand l'islam faisait face à des ennemis, pendant les guerres, on interdisait d'abattre des, des on interdisait de tuer des femmes, on interdisait de tuer des enfants. Même en, en pleine guerre, c'était des recommandations qui étaient envoyées. Donc, parce que l'islam aussi préserve beaucoup d'autres choses derrière. Et celui qui, qui, qui, qui cherche recours, même si c'était votre ennemi, vous devez l'accueillir euh, à bras ouverts. Et l'islam aussi apprend à ceux qui sont musulmans à avoir la bonne parole envers ceux qui ne sont pas des, des, des, musulmans. Donc vous devez toujours prêcher la bonne parole à ceux qui ne sont même pas musulmans. Donc on vous interdit, vous en tant que musulmans, euh, de tenir un discours, un discours haineux envers celui qui n'est pas musulman. Et ça, c'est dans le Coran. Et donc, ce sont ces pratiques-là qui étaient en disparition, ces valeurs-là qui étaient en disparition. C'est euh, là que les premiers soufis sont apparus. Ils ont senti que l'islam, à cette époque-là, avait besoin de restaurer ces valeurs-là. Donc, ils ont commencé à faire leur sacerdoce et c'est devenu une science dans l'islam et cette science. Euh, et donc, elle tire son origine essentiellement depuis euh, l'époque de, des Mahouf al-Kahri, euh, de l'époque de Imam Junaidi, qui sont l'un des premiers soufis dans l'islam. Et avant Imam Junaidi, il y avait Hassan, Hassan al-Basri aussi, et puis, la génération d'après, Imam Junaidi, Cheikh Abdel Khadr Jailani, Cheikh Ahmed Tidiani, Cheikh Ahmed Bamba. alaikum, suñu mbokk julit alaikum wa Sénégal sëñ Moustapha maa lay nuyu bu baax di la ziar di njëkkee d'abord, abord leen nuyoo cant ak consul général le docteur son excellence le docteur Abdourahmane Koïta bi nga xamantene ba démbu quinze heures suñu yéene mo nekkoon ñu defandoo périple bi yépp mais problème bi mooy jour bu mel ni ni mu màggee ku nekk noonu nga ko bëgg a màggale bu dafa màgg ba pare parce que ki ko ki koy defaral moo ni toll et puis ku nekk bëggoon na ñun bëgg nañu képp ku ko tàntal ñu fexe teewee fa pour mbir yu bëri parce que ay jullit lañ ci loolu la ñu parce que mission yi ñu dox yépp bii mooy mission yi ñu gën a gën a neex parce que mission boo xamante ne mission diine la saa yoo ko doxee rek maanaam am nga ci yàlla sa borom am nga ci ngërëmalam te yaa ngi ciy jëlee loo xamante ne kenn xamul nu mu toll moo ñu gënal yeneen yeneen i mission même sax euh, ku nekk ci administration du taamu mission yi mi dox mais yii daal bokk na ci mission yi ñu gënal bi ci topp mooy indil leen ngërëmam ak santam remercier bu baax daayira bi parce que man nag sax mu noon naa ñëw rek toog parce que noonu laa doon def ak yéen mais yàlla mooy tànnal jaam trajectoire léegi yàlla def na ne Marseille la féetee yàlla dox ma ndombal tànk foofu ma nekk moomatuma sama bopp comme on dit waaye fii laa bokk bi gars yi di wax ay bi ñu demee ñëwaat sonn man leen man daal lu mu gudd guddi dinaa dem Nice xam nga hélicoptère la ñu jël xam nga dañu daw mais dinaa parce que pour wane ne fii fii laa bokk te si daayira bi sax nag faf laa amee soxna man parce que sama soxna ci daayira bii la bokkoon donc loolu yëpp bu bu booloo ñun am na nañu devoir ñëw fekk leen bi ci des di leen félicité bu baax balaa ñëw ci bés bi félicité daayira bi mooy gis na ñi jéego yi daayira bi di dox jéego bi maanaam daayira bi mu ngi nekk ci aaday daara di def li daara war a def mais ñu ngi tijji nation yi xapaa bi def ma waxoon ñaari mbir mu ne ma koo mën a dimbali te du yàq dara sa liggéey dimbali fu ñu la woowee ci mbiri diine dawal donc loolu daal mooy moo nekkoon kàddu yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp autant que vous êtes am na ñu bëri ñu ma gisee saali mais bëgguma lim su ma limee dinaa juum mais ku nekk rek. lay ziar ci bi di nuyu Moustapha wa c'est quelques mots que je voulais vraiment prononcer au nom du consul général docteur son excellence le docteur Abdourahmane Koïta qui a empêché hier on s'est eu au téléphone donc c'est dû à, à, l'agenda très chargé parce qu'aujourd'hui c'est un jour ouvrable par rapport à la France. On avait des rendez-vous calés, on a un Magal à Montpellier, à, à Marseille et à Nice. Mais l'idée était que moi, que je puisse venir ici le représenter, lui vous transférer, transmettre ces salutations par rapport au Grand Magal de Touba et on prie pour que Allah fasse régner la paix au Sénégal, la paix dans les cœurs et que nous suite quand c'était l'heure de la prière pour prier. Donc il y a vraiment cette ouverture dans l'islam et il y a vraiment cette compréhension qu'il faut avoir et cette utilité qu'il faut avoir envers son prochain tout en restant ancré dans sa religion, tout en adorant Dieu comme il se doit. Et c'est ça le principe du sufisme. C'est ça la mission du sufisme. Si vous êtes un musulman, que vous croyez en Dieu, que vous faites vos prières, que vous faites toutes les pratiques, et qu'on ne voit pas en vous un bon comportement, vous n'êtes pas en soumis. Euh, c'était donc une petite euh, euh, présentation, je dirais, sur le soufisme. Sans aller plus loin, je vais donner la parole à Sébastien Djouf, qui va aborder sûrement dans, dans le même sens je pense que je pouvais me contenter de son exposé pour euh, développer un petit peu, juste, et m'arrêter à ça. Mais euh, juste avant de commencer, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure en Wolof, où euh, je disais que je rêve, moi, personnellement, d'un magal qui serait organisé par, non, par des ressortissants non sénégalais, par des non roulophones pour justifier un petit peu pourquoi on fait cet exposé-là en français il est important euh, que, comme c'est nous qui menons ce travail-là dans la Daira, que la vision que nous avons, que la philosophie que nous avons, que nous l'impactions dans la façon, de modus operandi qu'on a, la façon qu'on a de, travailler. Et ça, euh, charge à nous de, l'assumer pour que le reste euh, de la Daira suive. Donc je disais que je rêve d'un magal organisé non pas par nous, mais des, des enfants de France soit nos petits-enfants, soit nos enfants, soit d'autres venus d'autres horizons qui auraient compris les enseignements de Selim Touba. Parce que, euh, au final, les cloisons, les cloisons qui semblent exister, c'est nous qui les, qui les créons. C'est dans nos esprits. Parce que la phrase la plus célèbre de Selim Touba, l'une des phrases les plus célèbres de Selim Touba, qui rejoint tout ce que vient de dire Selim Moutada, par rapport au côté écologique, par rapport au fait de ne pas faire de mal à un scorpion, à une mouche, à ne pas toucher de feuille, la feuille d'un arbre quand on n'en a pas le besoin. Tout ça se résume dans cette phrase-là de ce Touba, quand il dit Irham Jamel Wara. Ya Ya Irham Jamel Wara, Ya Adi Touba, quand il prononçait cette phrase-là, il venait de revenir de l'exil au Gabon. Et ils allaient ils l'envoyer en Mauritanie pour 5 ans. Et quand ils ont déclaré qu'ils allaient l'envoyer en Mauritanie, tous les talibis se sont soulevés pour dire cette fois-ci, on ne sera pas faire. Et c'est rituel de leur dire, c'est pas à vous de me défendre, c'est à mon Seigneur. Parce que je me confie tout à lui. Et c'est là qu'il dit Irham Djamelwara, dans ces circonstances là Et la particularité dans ce Irham Djamelwara-là, c'est que ça dépasse les êtres humains, ça dépasse les musulmans, ça dépasse les mourides, ça dépasse les êtres humains. Irham Djamelwara, il parle de toute la créature. Il parle des arbres, il parle des plantes, il parle des roches, il parle des pierres. C'est ça le soufisme, l'essence même du soufisme, L'examen, comme l'a décrit Sri Murtada, euh, par rapport au hadith Sayyidina Jibril dont il a parlé tout de suite. Donc il est important de camper ça par rapport à la bonne compréhension qu'on doit avoir des enseignements de Sri Touba. Le bon mourit, le bon soufi doit être tout. Le bon soufi qui a bien compris sa religion ne doit pas être velléitaire, ne doit pas être belligérant, ne doit pas être violent. Il doit être tout parce qu'il doit accepter l'autre dans sa différence et comme il a dit, il doit être tout envers même le non-croyant, envers même l'ennemi. Parce qu'on l'a dit, même en temps de guerre, il fallait prendre soin des arbres, il fallait prendre soin des enfants, il fallait prendre soin des enfants. Donc tout ce qui prône actuellement les droits de l'homme dans le monde, je ne pense pas qu'en période de guerre, ils prônent, les mêmes valeurs manières. Ceux que nous fréquentons verrons à quel point nous, euh, prenons soin de ne pas les blesser, de les respecter, de leur montrer de l'égard. Comment nous respectons la différence que nous avons tous ensemble. Je suis désolé, ma digression a fait que temps est quasiment fini. Je n'ai pas pu développer la moitié de ce que je voulais développer. Juste le, point important, c'est ça. Je pense que la solution que nous pouvons apporter à la crise de notre époque, euh, humaine d'abord, sur les choix humains que nous devons porter, sur la priorité que nous devons porter à nos enfants. Euh, un exemple tout bête. Très bien. Donc un exemple tout bête, euh, nos enfants, nous quand on était petits, moi, je me souviens, mon père, il me disait Djangal Django, Moi, pour mes enfants, Django Bobonom, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. Il faut qu'ils se forment à l'école de la vie, qu'ils sachent des choses, qu'ils connaissent le monde. Django euh, le fait d'aller à l'école, de connaître les sciences, de connaître d'autres choses, ce, n'est jamais dépassé. Mais après, si j'en fais une bonne personne, mon fils sera le cadeau que je fais au monde. Je le vois comme ça. Mes enfants sont des cadeaux que je fais au monde. Donc quand je fais un cadeau, je ne donne pas n'importe quoi. Je donne quelque chose de précieux. Voilà, c'est un peu, euh, voilà, un peu, ça a l'air suffisant dit comme ça, mais c'est vraiment ça le projet. Donc, je euh, je vais pas, Motada va me taper, je crois. Donc, euh, je m'en vais donner la parole à Madame Matidouf euh, Madame Matidouf qui est au niveau de la mairie de Nice, qui depuis des années nous épaule, nous aide, nous encadre, essaie de nous orienter aussi dans, dans nos, nos façons de faire. On, a, on est allé à la mairie récemment avec une petite délégation elle nous a reçus très aimablement, elle nous a présenté quasiment à toute la mairie. Elle a laissé beaucoup de son temps, comme aujourd'hui aussi, elle a un calendrier très chargé, mais malgré tout, elle est là présente. Euh, c'est tout à fait normal qu'elle soit comme ça, c'est une bouffée, vous me direz. Mais, mais n'est pas que ça, machallah. Sans matin, je ne sais pas si le micro va arriver jusque là où tu es. Euh, hein? Euh, si C'est pas. Bon, je vais, si vous permettez, je vais euh, rebondir un peu sur les propos de mon mhm. illustre frère, grand fan, Et euh, si vous permettez, une balle au aussi, alors qu'il sait tout le temps. Donc je vais, euh, je vais, je vais prendre la parole, mais très, très, de façon très courte, hein, parce qu'on n'est pas là ici pour faire des longs discours. Simplement vous dire ma, ma, joie d'être ici, en ma qualité d'adjointe au maire, qui représente Christian Estrosi, votre maire, à tous, en tout cas je l'espère. Donc président de la métropole, Nice Côte d'Azur, et euh, le maire de Nice. Et euh, je suis vraiment très heureuse d'être ici. Je disais que je suis là en tant qu'adjointe au maire, mais avant tout aussi en tant que fille d'Afrique, fille du Sénégal, une Tiessoise, donc euh, de, de, famille mourite aussi, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, qui connaissent un peu ma famille. Donc c'est une fierté, au-delà d'une fierté, c'est un devoir d'être ici. Comme l'a si bien rappelé, euh, et je pense aussi euh, euh, mon ami et frère, le consul, Abdoulane, avec qui nous nous ouvrons depuis tellement très longtemps. Pensez-vous, hein, j'ai connu abdoulan il était presque étudiant, hein, je ne sais même pas s'il était encore marié. Donc voilà l'homme de valeur qu'il est devenu. Donc moi je remercie donc, les responsables de la euh, donc, Monsieur Gu, effectivement, vous avez rappelé euh, la visite que vous avez eue, euh, donc, que j'ai eu la chance aussi de, de, recevoir. C'est-à-dire que comme je vous ai reçu ici aussi à la mairie de Nice, qui est accompagné de M. Bey, qui m'a d'ailleurs offert un livre sur les femmes et l'islam, que j'ai commencé à lire, hein, et qui est très passionnant, marshall. Et c'est important. Simplement, je ne vais pas faire un discours très très long, simplement pour vous dire, pour réitérer bien entendu ma joie d'être ici. Avant tout, la France aussi, comme vous l'avez si bien rappelé, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit parce qu'il y a tellement de vrai, ce que vous dites, hein, sur la notion aussi d'appartenance, sur la notion aussi euh, de, dépoussiérer certaines choses, de se conformer aussi au pays qui vous accueille. Parce que quoi qu'il en soit, et vous l'avez dit, M. Hein, Monsieur Diouf, que cette ville est avant tout votre ville. Qu'on soit, ni soit de cœur, d'adoption, ou ni soit de naissance, parce qu'il y a des jeunes donc jeunes Sénégalais qui sont venus à Nice. Pour la petite anecdote, moi j'ai ma fille euh, qui a maintenant 21 euh, ans. Quand elle partait en vacances au Sénégal, on lui demandait euh, mais ah la petite sénégalaise qui est arrivée, elle dit non je suis pas sénégalaise. On disait la petite la petite française qui est là, elle disait non je suis pas française. On lui dit « mais tu es quoi alors Donc elle disait mais je suis niçoise. Voilà, donc je veux dire, et c'est flagrant, parce que les enfants, les enfants, les enfants qui sont là, ici, je vois un petit garçon ici, ce sont les citoyens de demain. C'est l'avenir de Nice. Donc, ce que vous disiez, M. Diouf, a du sens. Et on n'a pas besoin d'être forcément holophone, comme vous dites, pour, pour, pour, défendre cette pensée universelle donc, du, de, de Saint Touba. Et je disais tout à l'heure en aparté aussi à mon ami et frère Abdoulan, un de nos directeurs, qui est simplement, qui s'appelle Jean-Paul David, qui est maire d'une petite commune, qui s'appelle Guillaume, ici dans les Alpes-Maritimes, qui fait partie de la métropole Nice-Côte d'Azur et qui est à fond dans le mouridisme. Et une fois, il y a longtemps, je l'avais accompagné, il m'avait accompagné puisque j'avais une, représentation du maire sur un des magasins il y a quelques années de ça. Mais malheureusement, il n'a pas pu rester longtemps parce que ce que vous disiez, il ne comprenait pas. Il n'a rien compris. Et ça, c'est dommage, parce que ça, rajoute une barrière en plus. Et l'histoire même euh, du, du, de l'œuvre de Serine Touba, c'est déjà d'érailler, de magnifier son œuvre et d'inculquer. Nous, nous sommes déjà convaincus, nous, les Mourites, famille, tout ça, nous sommes déjà convaincus, nos familles, nos frères, nos grands-pères, parce que ce nous hier là, ce nous Adala, là, ce nous là, c'est notre culture. Mais notre rôle, et je pense que vous tous ici, vous êtes les ambassadeurs et les fantassins de, de, de, Touba. Donc, c'est-à-dire, vous devez prêcher la parole. Alors, pour prêcher la parole, il ne faut pas simplement la prêcher dans une zone de confort où ceux qui sont déjà convaincus, mais d'autres personnes aussi. Parce que vous êtes à Nice et vos enfants sont niçois, habitent Nice, grandissent à Nice, font des, font des études à Nice. Il y a combien de familles ici qui partent une fois ou deux fois par an au Sénégal Donc, les enfants, ils ont ils préparent leur avenir ici. Donc je pense qu'on n'est plus dans cette mentalité où avant, on était là, on préparait comme nos grands-parents, hein, de nous donner outils pour liguer, pour défarfaler. Mais nous, nos enfants, non, ils ne sont pas dans cette mentalité-là. Pas du tout. Tes enfants aussi, Abdelin. Donc c'est important. Donc notre, notre responsabilité, en tant que peut-être moi, en tant que comme on dit qu'il est petit des copies, comme toi aussi. Hein. Je ne sais pas si ça se dit sans être prétentieuse, hein, parce qu'on va bientôt croire que les dioufs sont très présents, prétentieux ou présomptueux. Ce n'est pas le cas du tout. Mais c'est une réalité et c'est important de le dire. Et nous, notre rôle ici, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Et je vais, rappeler, je vais vous rappeler une, une, phrase que m'avait dit. Alors pour ceux qui se rappellent, je ne sais pas, il y a une année, on avait reçu euh, Cher Bédiotine. Mm. J'ai eu l'honneur d'aller l'accueillir à l'aéroport et de le recevoir avec ses épouses et tout ça, avec euh, Mme Aïda, tout ça. Donc il m'a dit quelque chose qui, était, qui, parlait très très bien français, qui était un grand fonctionnaire. Il me l'a dit, du moins je suis un administrateur de l'État français à l'époque. Donc ça c'est important. Et Hélène, je faut que vous puissiez recevoir que kilifa mooy donc autrement dit vous votre responsabilité c'est pas simplement de venir et pardon hein, je mets les pieds dans le plat de venir voir Mati Diouf en lui disant oui comme ça s'est passé dans les anciennes années oui il nous faut absolument une salle il nous faut absolument nous faut absolument un endroit pour faire le magal et Mati Diouf parce que non seulement qui vous a écrit ou qui vous a appelé et c'est ça et l'important c'est est là Sénégal lu Nice mm voilà, qu'il y a des Sénégalais qui sont en phase avec les valeurs de la République française. Et ce que vous disiez, parce que fait du Sénégal avec fait du pourquoi aussi on est là Donc voilà, donc la France aussi est ce magnifique pays aussi d'accueil, terre d'asile et d'accueil aussi, qui, qui, véhicule aussi des valeurs, mais qui véhicule aussi des droits. Vous avez des, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs envers ce pays aussi, envers cette ville aussi qui vous accueille. Wassalam, merci. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إلى de ñu ngi woon ci bi nekk si liggéey bi comme niñ ko daan defee rek waaw di ñaan yàlla bi waaye lépp luñ ci ci def rek sëriñ bi ko doon ay xéewal ñëpp ci barke sëriñ bi waaw bëgg nañ baax nag ci ci moom kii nañ ci baax a baax a baax dañ fa yàlla sant nañ sant nañ sëriñ bi damaa xaw a tëkk yi mbégte a gee sant nañ baax a baax ak saa jaajëf ku ci bëgg mën ngaa ñëw soobu ci

dafa baaxul yooyu ñu koy siwal mais lu fréquent la lu régulier la te daal di loolu lay jëriñ tamit sëriñ bi noonu la fi nekkee ci biir nit ñi mooy mbokk taalibe yi ni ñuy taxawoo yeneen mbokk taalibe yi donc jariñ bi loolu la pour wax ñëpp ni ñuy liggéeyee bu bëgg weesu li muy def ci daara ji li muy nekk simple membre rek dugg ci commission yor commission na ko def ndax soo xoolee ñi gën a ñi gën a ci liggéey ñi ci saf-saf soo xoolee Alaaji Sall ak sëñ Moutala Amar mii doon wax ak ñeneen ak ñeneen yàgguñu nis en tout cas gënuñu fee yàgg dañoo ñëw rek xam na liggéey bi du liggéeyu kenn seen liggéey la ñu ñëw dugg ci sóobu ci nekk ci yor commission yi di ko doxal sëñ Moutala Amar bi ku ko dindi woon tey ci organisation ñu yëg ko ku ko dindi woon ci communication ñu yëg ko te moo ne gënu rek parce que te comprendre ne liggéey bi moom moo ci njëriñu su ci lu mu ci def rek daanaka au final boppam la ko defal loolu daal mooy mooy mooy njëriñ bi xam na kon sama mbokk yi Baye Fade suñu mënee jege ñu jàll ci zikrullah bi avant avant ñuy wéyal programme bi incha allah. bàyyi laa ji xam mën ngaa tàmbali rek gars yi ñëw bisimilah yàlla. laa ilaaha xoolu nañu la. Cheikh Ahmadou Bamba sant nañu la mu wér laa ilaaha xoolu nañu la. Cheikh Ahmadou Bamba sant nañu la mu wér laa ilaaha xoolu nañu la. Cheikh am de ku dem doy borom Tuuba li man am de ku dem doy ku soobul ne mees bu génne xam boroma borom Tuuba li man am de ku dem doy ku dem doy ku soobul ne mees bu génne xam borom خير مكيد جهاده الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الخدمة بشارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون فكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما يعلمه خيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا ولا يستغنى عنه أبدا أحمد منيا تعالى أنزنا وكان لي بكل شيء وسناه أحمد مغنيا تعالى أنزناه وكان لي بكل شهر وسناه خاتبته في البر والبهر وفي السر والجار الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا سل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مصارع فرح خير المرسلين بقد المعسلين وسالني عن كسلي بمحو عني قدري يقود لي غير رسول من الجميع غير رسول ولا يسوق للحسيب القدى والقدر رفعت كل يسنين مقتربا أي سنين قبل وفزت بالفنون مالك المقتدر فرأني من التهم وثمن ثانني عن الوهم وجاد لي بمن بهم من غيبه المقدر يعصمني من الورى من لي قادة ورى والقلب من نورا وثانني بجدري علمني الله العليم بما يشاء من علوم ومن هذا للذلوم ولا أذى المقدر الله خير من شفى ومن هدى وكشفى منه جاءني شفاء من كل داء مقدر لم ينح قلبي الدلاء وما نحى من دلال وذكر ربي ذي الجلال على العدا كحذري دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي dinaa dina ko tënk ci nasaraan tënk bu gën a bu gën a yaatu tey li ñu war a waxtaane mooy rabbi asxaaba bi bil himma mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéewoon ku tedd ki te mu jóge ci yàlla ne ko bul yarati sa njaboot ci njàngum kese bul yarati sa njaboot ci njàngum kese waaye yar leen ci yitte jiite nag am na ñu koy firee Pastef déedéet Pastef mën naa doon tay tay tay maanaam mën nañoo dugg ci dara nga wane ci ak Pastef himma nag amul fu mu yem mooy yitte waaye bu ñuy wax yitte mooy yitte ju kawe moo tax ñuy wax yitte ci boppam dafa bari ay ay façon ku nekk nag la la yitteel ku nekk la la yitteel am na ñoo xam ne bu ñuy jàng danoo bëgg a dem ba ca jombaxtal ko loolay seen yitti seen yitti ju loolu la bëgg nañoo ba doctorat ko am ñoo xam ne bu liggéey dañuy bëgg avancer fi nekk dem gën a kawe loolu yitte la am na ñoo xam ne ci ci lépp ciy def maanaam dañuy bëgg gën a yëpp baax na ku nekk ak li la yitteel waaye yitte ji tax ñuy wax fii te sëriñ bi doon ko yare ak njabootam mooy yitte yoo xam ne day jëm ci yàlla nga xam ne loo am ci yàlla daf koy xeeb loo am ci rek lu la yàlla defal nga xeeb loolu loolu mooy yitte ju kawe ku tedd gi nag yoroon na njaboot gi comme ni ngeen ko xamee ba sëñ Maam Moor wàccee liggéey yor na njaboot bi lu tolloog xat ak lu jàngale ak jàngale waaye ba ko wax ne képp koo xam ne njàngum kese moo la yitteel mën ngaa dem wuti ko feneen ndax jamono bari na woon na ay daara waaye koo xam ne amale taalibe yi dañ leen doon jàpp di leen duma ndax dañ doon jàng ay xasida euh, ndax xam ngeen ne li fi nekkoon mooy yeneen tarixe yi moo fi nekkoon am na ñoo xam ne mënoo woon a muñ loolu loolu lépp benn la woon boo jógee ci lii lay sonal daa leen leen dóor daa leen leen yeew bu ñëwee ci sëriñ da leen daal wax ne xanaa xamul leen ne saaba yi mooy ñooy seen bàyyi ci diine li ñu nag dajogoo leen ko ndax saxaaba yi dem nañ leen ba barey leen maanaam faat nañ saxaaba saxaaba yu bari faat nañ leen. mu ne On ne pas me tromper sur les dates, c'était vers les 1882. Et il avait appelé donc les disciples de son père Maman Antejala, Maman Antejala, en disant Rabbi ashabaka bihimma wa la turabbi bidafsi fakhat rabbi kul walidun minhum bima ce qui est à retenir dans cet énoncé, c'est qu'il a restitué ce que le prophète, paix salut sur lui, lui avait dit. C'est le prophète lui-même qui lui avait demandé de ne plus enseigner ou d'éduquer les talibés uniquement par la connaissance l'ivresse. Son père était un savant, un érudit, et tout le monde connaissait le pays, euh, La peut se dessiner. La première, c'est ce qu'on appelle la niya, c'est l'intention. Donc, avoir l'intention de vouloir faire du bien. Le irada, qui est la volonté, le vouloir, l'amour, et le hasbou qui est la décision ferme de vouloir atteindre son objectif. Et le quatrième et dernier élément, c'est le hadaf, qui est l'objectif. C'est-à-dire doit avoir un objectif, visible. Donc il faut avoir l'intention, il faut avoir de la volonté, de l'amour par rapport à ce que vous faites. Il faut avoir une décision ferme et il faut avoir un objectif très clair. Et ça, ça se dessine avec une Mountakha Seigneur et de passage je prie le bon Dieu pour qu'il lui donne longue vie santé pour qu'il puisse accomplir euh, tous euh, les projets qu'il a en tout cas sur la voie de, la la réer doy mu dem doy bu soobu lemees bu génn xaar borooma borom Tuuba di maanam de bu dem doy bu dem doy bu soobu lemees bu génn xaar borooma bu way dawa yoo ci yoonel ba ki gaayam ki gaayam araf ya nga wet dangal gala yoo fa yaase स्वप्न में सुखे عليه سلام الله sant suñu borom euh, ci sëriñ bi nga xam ne moo ñu ko digaloon ñu ñaan suñu borom lépp luñ ci séntu rek ñu dajeeg moom soobee yàlla kon ni ko suñ Moustapha waxee rek ci yenn li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci daara ji bokk na ci mooy jàngale xale yi euh, nga xam ne nañ ko boobaak léegi mat na ëpp na at sax euh, ñu ko tàmbali woon ci juin 2021 ñu koy tàmbali nag moom mel na ni comme lépp loo xam ne rek bu baax la buy tàmbali day sew waaye di jamonoy dox ngir yokk lool lool lool macha allah ba ëpp sax suñuy loxo yan yan saa yi dañuy xaw a dañuy xaw a déborder euh, damay bañ a guddal xam naa ni damay jox xale yi ku ci nekk tari tuuti rek loo xam ne fi ñam wala benn saar boo xam ne dañ koy tari ngir barkeeloo ko lay wax ci bis bi bu ko defee après bu loolu weesoo ñu jàll ci xëy na gën liggéey bi nga xam def nañ ko boobu ba contenu bi ak nan lay doxee Euh, xëy na bu fekkee ne xale ñëw ci kanam itam gën a yaatal ci wàllu ay laaj wala ngir gën a mën a wane rek liggéey bi ni mu yaatoo ak aspect yëpp yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy toppatoo ci biir jàngale kon je vais commencer avec Sëñ Saliou euh, Sëñ qu'est-ce que tu veux réciter aujourd'hui Najaa kon bismillahi rahmaani rahim Izaja, wa Fatrou, Wala Eidanasa, waduruna Fiji Nilahi, Afwadjan, Fassar Bibi Amdirabika, wastafiru Inou, Kanak Tawaban. Bravo, c'est hmm? Je m'appelle. Je m'appelle et aujourd'hui je vais reciter Tabadiada. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أحنى أنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات رهب وأمرته حملة حتب في جدها حبل من مسجد آمين Bonjour, je m'appelle Mohamed. Je vais réciter la sourate Al-Talazi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Talazi yukazibu bidjin fasalika lazi yad'ul yatim wa la yahudu ala tamim miskin فويل للمرسلين الذين من صلاتهم سهون الذين هم راهون ويمهون المهون ويل vas بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمتففين الذين إذا على الناس يستفون وإذا ك... آه، وإذا وإذا كالوهم أو وزنهم ينسلون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ويل يومئذ للمكذبين يوم يكون آه، الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل محتج نسيم إذا تتلى عليه آياتنا خلا ساتر الأولين كلا برنا لقلوبهم ما كان يكسبون كلا إنهم ما ربهم لما تبون ثم إنهم لصالو جهيم ثم تحال هذا ثم يحال هذا الذي به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي هليين وما أدراك ما هليون كتاب مرحوم يشهدهم مخربون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي أو على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم ندى النعيم يسقون من داره مختوم ختامه مسكون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينان يشربوا بخل مخربون إن الذين عجبوا كانوا من الذين آمنوا يتقون وإذا مروا بهم يتغاظون وإذا انخلقوا إلى أهلهم انخلقوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء للظالمون وما أرسلوا عليه حافظين فاليوم الذين أجرموا آمنوا كانوا من الكفار يضحكون يضحكون وإذا مروا بهم يتعمزون وإذا انخلبوا إلى أهلهم انخلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليه حافظين فاليوم آه، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينزلون آه، السويب الكفار ما كانوا يفعلون n'importe quoi. Euh, ceci c'est juste un bref aperçu de donc de l'enseignement qu'on fait tous les dimanches. Euh, donc normalement on a euh, comme l'a dit Signe Moustapha environ une quarantaine d'élèves donc même plus que ça. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé les enseignements il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé les enseignements. On est environ 7, euh, non, 8 enseignants, donc sept euh, hommes et une femme. Euh, et nous nous répartissons les enfants tous les dimanches. Donc on a deux heures par semaine de 13 à 15 heures. Donc, je rappelle un peu peut-être l'importance de ces enseignements euh, pour ceux qui n'auront pas encore leurs enfants inscrits chez nous. Euh, tout ce que vous voyez là, euh, donc ils n'ont pas, euh, ils ont, peut-être maximum 10 ans et voilà, le fait de passer beaucoup de temps chez nous dans l'enseignement, ça a fait qu'ils ont appris des sourates. Ils ont tous évolué. Donc, comme je l'ai dit, ils ont préféré citer des, des sourates là, mais ils ont tous dépassé ces sourates là. Ils ont tous, ils ont tous dépassé ces droites là mais ils ont préféré les réciter peut-être pour un peu plus de confort. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup d'évolutions au fil de, bah, de, ces mois depuis qu'on a commencé. On a commencé avec moins de 10 élèves. La première séance, on va dire que les, enseignants étaient plus nombreux que les élèves, mais au fur et à mesure, donc, euh, comme je le disais, tout acte voilà, tout, tout, acte de bienfaisance, on va dire, commence par être petit, mais au fur et à mesure. Donc, Dieu fait que, la bénédiction, bénédiction de Dieu fait que ça augmente. Et euh, c'est même pas proportionnel aux efforts que nous, que nous mettons dans l'enseignement, parce que, comme je l'ai dit, on est 7 ou 8, et euh, donc on donne un peu de notre temps, mais voilà, quand on travaille pour Dieu, ça fait que ça augmente. bien toi Viens c'est quoi le quatrième prière La prière On a déjà dit la prière. Allez, Ça c'est bien, ça c'est bon. Il reste deux. Zakat. Zakat, c'est déjà dit, c'est loin. Hein? Salat, Salat c'est déjà dit, c'est la prière. Il c'est très bien. C'est le pèlerinage. Euh, donc, pour résumer, la foi en Dieu, la prière, le ramadan, la zakat et le pèlerinage à la Mecque. Et. Euh, quoi d'autre Quels sont les piliers de la foi Quand on dit la foi, c'est quoi euh, La foi aux anges, la foi à et. C'est déjà très bien. Tu as donné deux, deux prières. La foi, croire en Dieu et croire aux anges. La foi pour... La foi au Coran. Moi, je peux C'est Donia. Hassan Nathan. Hassan Nathan. حسنة لقينا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من التوبة رحمة لك أفضل merci pour votre attention. Donc, on va remettre quelques cadeaux aux enfants. Qui veut, qui veut, qui, comment maman, maman, Rabbana Moi, moi, moi, moi, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك من لدنك رحمة rahmatan innaka antal wahhab ñoo ngi leen di ñaan télé bii lii ñu ci wone li ñu fi gën a bàyyi ci la bokk ñu teewlu ko ca déglu ko jëwri ni liñ fi expliqué wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jëwriñ jërëjëf waaw comme ni niñ ko xamee rek euh, li mbébét projet bi moom bokk na ci liggéey la boo xamante ni si liggéey bu ñoroon Serigne Mourtala ba naki noonu sëñ Mamor Mbacke tamit ñëw taxaw ci dox ci ay jéego yu am solo euh, naa dañuy jox sëñ mu Diouf moo tam mu ci indi. waaw mooy li ñu ci wax sànq rek mooy euh, sëriñ bu mag bi bari na sëriñ Tuubaa bari na yoo xamante ne. muy ci jumaayu Tuubaa yi muy lépp ci yoonu murit ñoo xam tane serigne bi da ko annoncer woon nit ñi bañ koy lire am na ñoo xam tane ne am nañ sikki sàkk wala sen am na xel ñaar ci serigne bi muy wax ne wa li mom li ni dafa nekk woon projet bo xam tane serigne Murtada da ci sonnon lool ba ñëpp xam ko ndax xam porté bu mu am ci l'islam ni ko sëriñ Birama waxee sànq valeur bu mu am ci xale yi bañ leen a xaw leen sauver c'est la façon de le dire xaw leen rawale xamal leen seen diine aslef ndax euh, dara gën te yéeme nga jóge fi bàyyi fi njaboot yoo xam te ne ñaanal la sax mënuñu ko sëñ Mourtada loolu la xamoon moo moo tax mu yàgg cee sonn pour ñu am euh, par rapport kër Serigne Touba yi ci tamit dafa am problématique yoo xam te ne kenn umpale wu ko fii ci bitim réew mooy problématique u saal saal dëkk boo dem muy France ak feneen nit ñi dañuy sonn trop trop trop trop pour am saal te ko xam murit xam ko ci autonomie mënal boppam sëriñ bi jàngal ko mag ñi depuis nag ñu bëgg a dox ci tànk yooyu bëgg a am suñu kër boo xam te ne suñu këru bopp la lu ñu fay def ñu di ko defal suñu bopp xam naa dinañ ñëw après ci slide yi ci topp par rapport ak li muy coûté ci xaalis li ñuy saa li ñuy loué pour bi aju lii nii damay bàyyi sëñ mu ñi am ne Moussa mu leeral ko ndax je lii nii moo gën a leer lépp ndax dafay mel ne gaa ay yoo xam te ne dañ fa def suñuy activité yëpp yëpp mais xaalis boobu dafay ne xaalis bu ñuy sànni daal waaw te xaalis bu mën a jëm ci liggéey seen tuwaay la a la ci kër Serigne Touba si Aliou Moussa soo mënee détaillé tableau bi nga xam te ne ñu koy gis nii doole. ndax kuréel bi day kuréel bu bees amaguñ doole. répété bi dañoo ngi koy defee kër Soxna Fama si la ñoo koy siyaare bu baax nag di ko ñaanal la mbëgg moo xam yàlla may. lu ma de xew tamit ñun ñoo ngi seen gannaaw yéen waa Nice amaguñ doole nag waaye na ñoo ngi seen gannaaw di jox suñu bopp. leen dégg suñu bopp liggéey bi nag wax dëgg yàlla maa ngi doole soñu bu baax ñun waa Touba bay bàyyiwuñ kenn nag muy di mag di gone di góor di jigéen bàyyiwuñ kenn kon nag léegi nag na si ñëpp jàpp xam na suñu yëf yi bopp la liggéey bopp la kër suñ Touba gi nag daaw ba léegi ñoo ngi koy wax kon nag na si ñëpp jàpp mu jëm kanam mu avancé ndax mooy suñu lépp ndax bis bi kat moom dong lay am at ba at la kon nañ ci doole góorgóorlu baax asalaamaaleykum maa ngi doole jégu kàddu yu ma xaw a da war loolu nag jërëjëf waay day be jaar Goodbye. matricule Italie Honda Civic waaw matriculé en Italie na gaaw na gaaw jëli otoom balaa ñu ko yóbbu ok بالجميع على صراط المستقيم وبالسهيم كلنا بلا سهيم بالجميع على صراط المستقيم وبسهيم كلنا بلا سهيم لك الكتاب يا غريب يا مجيب يا من به الزمن خير عجيب هب لي وللذين ما يا هدى به لخير له إياك نعبد ونستعين فإنك المحمود والمهين ألتنا بك عليك يا رفيق يا من به لم له كل النعيم يا نسيان المستقيم قبلنا هدى به سيدنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا هبنا وجلنا سواد دين فائقات وتكفنا هدامها والبائقات وبيننا وفيما الأولاد يا مالك الهباد والبلاد وباركا فينا وآسي أمرنا يا مصيبا بغير راد درنا لنستجب يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت باري وهب سري تديم الأمل صالح يا خديم الله بالكل كريم أكرم من أمون حال له تكرم عزم له كل كان إيماني ولا سمي إحسان لرحماني وأدعو بالشكر بلا كفراني فإذا بام عن نيراني اليمن والجسر وخير سددي بخير سكر الأداء بمددي أتى كل شيء يثير الأهدي المالك المكرم المتهدي هذا سيد بالقرآن بزدي نجا بما يلم خير سددي هذا سيد بالقرآن بزدي نجا بما يلم خير سددي هذا سيد بالقرآن من مدتي نجا بما يديم خير سكتي بعد سعيد بالقران مدتي نجا بما يديم خير سكتي بالخادة الاجور والمسالك بتي والجذب والنسال وهب لنا نور على نوري وليقى سعادة الدارين